<laughs> Ah, voilà. <laughs> Um merci Mounas. merci ah, Bach, merci à notre artiste. puisque nous sommes en période de fête. je vous dirais bonne euh, canne, une canne exceptionnelle, mmh. émotionnelle, mmh. émouvant fantastique, mmh. mais canne qui, qui nous a beaucoup euh, montrer qu'il n'y a plus de petite équipe avec un miracle au permanent. Mmh, mmh, mmh. <laughs> voilà, merci. Et nous tournons à notre gauche pour dire bonjour à Mustapha Barreau de son vrai nom. Il est notre artiste aujourd'hui, Teuf Connection. Mmh. <laughs> Teuf, gao, gao. Teuf Mustapha. Mustapha, tu es bien nga nuyoo. moom <laughs> maa euh, euh, Casa ak euh, par le biais de Badj ak mon frère Ousseynou hmm. donc qui est au donc euh, comme ni mu ko rek donc mon nom c'est Mustafa, mon nom d'artiste euh, Teuf Connection Teuf Connection waaye dañ ñu wax kon tey moom ñun né am fi connection bi. kay kay connexion day man par force. day del del. voilà et nous commençons par n'est-ce pas Bach, par Viejata qu'est-ce qu'il y a de beau aujourd'hui sur le stade. voilà de la CAN d'abord hein, le les Lions. Oui, hein, Nous oh. sommes déjà partis. Hein. Voilà, on va parler d'abord de la Coupe d'Afrique des Nations, mais on commencera par euh, la mienne, notre équipe, je veux dire, mhm. euh, les Sénégalais, qui sont en train de montrer à la face du monde qu'elle méritait euh, de rentrer avec le trophée en 2021 en Cameroun. Et puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, il fallait impérativement euh, montrer notre suprématie ah. parce que depuis quelque temps, c'est le Sénégal qui caracole ah. en tête du continent africain avec le trophée euh, Coupe d'Afrique des Nations, euh, le Chan, U20, on a aussi U17 et cette année, il fallait impérativement confirmer, confirmer que vraiment on méritait d'être cité parmi les meilleures nations. et le Sénégal a fait ce qu'aucune des équipes n'a fait lors de l'année c'est-à-dire faire 3 mars, 3 victoires. Et on a marqué 8 buts encaissé un seul. Et on marque fois les premiers. Hein. Voilà, donc on marque toujours les premiers. Et ce qui est, ce qui est euh, à noter au sein de l'équipe nationale du Sénégal, à chacune de nos rencontres, on rentre avec l'homme du mars. Mmh. Le 1er mars, c'était Lamine Camara au milieu de terrain, qui est, qui est, homme du mars. Le 2e mars, c'est un attaquant, euh, Assar, homme du mars. Et le dernier mars de poule, c'était euh, Ablaïsek, euh, l'ancien sociétaire euh, du Casasport de Ziensor, parce que j'ai même vu le Casasport publié mm. pour se, se glorifier de la mm. performance du gosse. Mm. Voilà, donc nous allons suivre la réaction de la population du Pacao qui se sont manifestés après la victoire, du Sénégal face à la guinée qu'on a créé à, 2 à 0. Allez, on va aller voir Gina Nadjeline et Alga Diallo. Le Sénégal a remporté le derby face à la Guinée de bis à 0. À la fin de zone de 6 jours, les supporters s'expriment après le match. Alhamdulillah, on, on remercie le bon Dieu. Mais bon, euh, tous les deux pays, il faut qu'ils se euh, comprennent que c'est le football. Euh, le Sénégal et la Guinée sont les mêmes pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Guinéens qui sont ici, il y a des Sénégalais qui sont à Guinée. Quand on, se comprend que euh, ça, ça c'est de l'espoir et on euh, essaie de faire, une, euh, comment, on le dire encore, fair play. Bon, nous avons suivi un bon match et les, Lions ont bien, très très bien joué et nous, nous ont régalé. Euh, d'un beau football et de, de ben, bonnes, prestations. Et nous sommes vraiment satisfaits, nous sommes confiants et pour le reste du, euh, du tournoi. c'est des entre le Sénégal et la Guinée. Ça, c'est une derby. C'est forcé, euh, ça se Parce que le problème, ce n'est pas commencé aujourd'hui même. Le premier a commencé depuis hier, aux conférences. Parce qu'on a posé euh, une question. Les journalistes guinéens ont dit qu'on n'a pas le droit de le poser cette question-là il a une, une, euh, euh, une Le est commencé. Hmm? Euh, il faut que la Guinée comprenne que le Sénégal, ce n'est pas le Gambie, ce n'est pas le Cameroun, mais c'est le Sénégal. Trois matchs, trois victoires pour les Lions de la Harangari. Ils occupent ainsi la première place de cette poussée et se qualifient en huitième des finale. Voilà, donc euh, c'est le Sénégal, <laughs> hein. euh, c'est le mot. Ce qu'il a dit, c'est le Sénégal. C'était la bataille du Mars lors de, des points des euh, deux techniciens. Donc les journalistes sénégalais ont posé une question à mm. l'entraîneur de la Guinée, mm. Conakry, et les journalistes guinéens mm. ont rétorqué pour dire aux Sénégalais de ne pas poser, ces cette question. Donc vous avez vu, la tension a démarré. Au niveau du terrain, on a vu avec Nabil Keita, le capitaine, qui donnait des coups, tantôt avec des yeux parce que les jeunes comme Pape Gay ne pouvait pas euh, peut-être euh, de, de, de, Nabil Keta, les laisser un peu noyer au milieu de terre. Il fallait leur montrer que vous êtes vieux, nous les jeunes, on va prendre votre place. Eh eh, eh, est-ce que c'est pas ça en fait, qui, a, qui, a, qui a été à l'origine de, en fait, de la réaction de Jacobs quand voilà, il a réagi, il a répondu à la provocation. Oui, mm-hmm. c'est quand même comme il a dit, c'est le Sénégal à laquelle nous avons nak wax deug yalla ku ñu fekk suñu frontière mom mm. ñu defal la bagage ñu rouge ñu dem tok mo ñu gënal mais duñu yakal fayda wala mm-hmm. c'est c'est ça parce que Koulibaly wax nako sax mu né ñom bu ñu joggé Dakar président de la République da leen waxone mm. ngeen tek teranga bi fi ngeen dem feulé ah xex donc ils ont compris parce qu'on nous dit les lions de la teranga comme on le dit trop bon trop con. mais euh, <laughs> c'est dans le sens propre. Hein. c'est dans le bon sens rek. c'est dans le bon sens mais bu fekkee ne vous fekkee ne à chaque question de journalisme mu am mm. tension. tension ah, Aliou Cissé Aliou Cissé les journalistes camerounais lui ont dit. Euh, comment est-ce qu'un entraîneur qui est affamé pour peut mm pour entraîner des lions. ah mais c'est ça. <laughs> Malgré kay tuuti humilié ne ça fait six mois qu'on n'a pas payé comment est-ce que affamé peut entraîner des lions Non, non il n'y a pas plus frustrant que ça. et voilà. très rapidement. Euh, voilà donc pour terminer mm-hmm. encore mm-hmm. historique. Mm-hmm. et c'est une génération dorée. Euh, la Mauritanie qui, avant euh, la dernière journée, était presque éliminée avec zéro point. Et la surprise était que c'est les Égyptiens, et euh, euh, les, Mauritaniens, les, les comme on les appelle, c'est eux qui ont mis l'espoir de toute une nation, l'espoir euh, de, de l'Algérie éliminée par la Mauritanie. Et la Mauritanie se qualifie directement en huitième de finale. Et on avait vu les liesses hier au niveau de, de, de mhm. Donc tout le monde sortait pour jubiler mais aussi l'équipe euh, mauritanienne, entre guillemets, il y a le gardien là, Nias, c'est un Sénégalais, et d'autres Tcham. c'est comme ça, chacun est libre aussi de choisir euh, la nation euh, qu'il qu'ils veulent, défendre. La prochaine rencontre des Lions, c'est... Bon, le Sénégal doit jouer le lundi. Mmh. Le Sénégal joue le lundi, parce que les huitièmes de... Ah, bah, on, on termine, c'est hier, mmh. jeudi mercredi, qu'on a terminé les mars de, les de, de, poule, de poule. donc de finale, mm-hmm. Mm-hmm. ça démarre le samedi, mm-hmm. le dimanche, le lundi et le mardi. Et le Sénégal joue le lundi à partir de 20h. et aussi, autre, information, la Gambie qui malheureusement a buté, euh, la Gambie avait la possibilité de faire l'exploit comme la Guinée, euh, comme la Mauritanie. Et la Gambie a permis au continent de passer. Parce qu'elle te, disait que, voilà, <laughs> te disait que le Cameroun, c'est le continent. Et El a dit que c'est ça qui a mené un peu la bataille. La presse camerounaise le lendemain a taxé El de tous les noms d'oiseaux. Donc c'était une bataille de communication. Et Alhamdulillah, le continent est passé, devant la Gambie. ils bah, il faire grave. Hein. <laughs> ils peuvent faire parce qu'ils ont échappé belle. <laughs> voilà, merci à toi, Maï. On va enchaîner avec l'artiste. Euh, Moustapha Moustapha Baro Moustapha hono oh wala na def waaye sant sant alhamdulilah yaa ngi si jàmm bu baax sant sant bu baax Moustapha Teuf Connection lan mooy Teuf Connection bon euh, boo xoolee comme euh, Moustapha mhm. en général yu bëri defaat na naan Teuf mais euh, pour premier lu gëna lu donc teuf ça veut dire un éclatement mm-hmm. un éclatement donc la connexion mm-hmm. donc éclatement bob peut-être euh, comme euh, bu éclatement donc il doit faire du bruit donc tout le monde doit l'entendre mm-hmm. donc connexion bi comme ni may faral def euh, comme la majorité, on dit qu'un artiste est fermé, alors que euh, dans mon cas, mm. on est non. Donc, euh, connexion, comme amna ouverture, mm. euh, si y un artiste, je collabore avec d'autres artistes comme Issa à mm. Mm-hmm. et tant d'autres. Mm-hmm. Donc, l'olmo la connexion. En plus, euh, ouverture ce côté fancy, mm-hmm. l'ol tax me tout de son donc connexion. Mustapha, voilà, donc Wafinger. tu es de euh? man mën naa wax que ni donc ñaari kii la euh, sama côté sama côté maire. maire waaw euh, waa Bunkiling la. Bunkiling ah donc donc on peut dire que je suis beneen côté bi sama côté. papa bi donc.

bon ak lan moo la pousse ci musique. bon mën nañu yow nga choisir musique. bon mën nañu wax que ni euh, yàgg na yàggul parce que mm-hmm. euh, dafa am benn année. Mm-hmm. ma dem vacances à Kaolack. parce que mm-hmm. ku Kaolack ni tradition ni art. Euh, donc ma dem si benn koñ. koñ boobu am ay jeunes dama demoon vacances sama yaay. léegi bi ma demee vacances moom ay jeunes yoo xam ne nekkoon nañ foofu. ñoom il faisait de la danse. donc break dance lañ doon def. donc léegi plutôt may ànd ak ñoom léegi su ma si intéressé fa laa njëkk bind sama texte. foofu noonu après par la suite ma y avait des jeunes dans mon quartier après par la suite je intégré carrément créé groupe 2 c N2C. N2C. crew 2 c crew connection c donc quoi N2C. ko crew connection c n voilà sa premier texte c'était quoi Yo, sa premier texte texte bi lan la woon. bon mën mën naa wax que ni euh, premier comme gars rek ni di ñëw di imposer comme bon in the place to mm. maa ngi dem to be. Mm. represent sama kono sama coono ne leen tëf tëf tëf connect connect connection mm. rabbi suma deret la nekk ku ma ko bëgg bàyyi loo foog nga kil ma non non non bàyyi leen ma bàyyi sama waar en direct. me le direct je suis votre prof de philo avec mon stylo Ma voix a des styles qui s'imposent sur le mic en donnant des coups comme Mike Tyson je fais souffrir mes ennemis avec mes rimes pourtant je n'habite pas au rime. République islamique de la Mauritanie le rap est ma go je commence en disant go goal marquer plus de pop pop Faux forever un duo d'enfer tax na mën naa ne ay fer ngir am kattan ak savoir faire tàng ba mel ni enfer rab bi technique le, ak savoir faire non non non boo déggee daaj xamal ni je sais le faire macha allah on dirait que c'est la première fois qu'on a un artiste de... Parce que quand on entend en fait euh, mm. son texte, mm. on n'a pas deviné quand même qu'il a fait euh, des, études avancées. Mm. Parce que voilà, il est... prof de philo. de prof de philo jàng bon d'après ce qu'on a euh, entendu dans ton texte peut-être et comme comme il a dit euh, aujourd'hui ce texte là comme nous mu ko nous mm-hmm. ñoom ku ci premier texte c'est d'abord pour se glorifier. tiital gars yi gars yi mm-hmm. fi man maa fi kii man man man man man mm-hmm. voilà. et eh, est-ce que lu ñu dugalal benn ñu xool. ñu xool waaw bu dee am na da da dafa ngarale nag. Hmm. bul fàtte na ngarale de bul fàtte moom ne da may ñu benn son ñu xool donc ngaa yi may xay à Bounkiling du nord au sud. Hmm. la route. Faut que ça prévention prévenir guérir vigilance prudence y a trop d'accidents sur la route maintenant il faut que ça cesse bi moo indi boobu ali bi ci biir dëkk bi ñaata nit ñoo si doon ay njëriñ seet njaan njaay bokk samay lim lii de triste na demete na yenn ñàkk faru la am xol yi ak xel yi ñoo feebar war nanoo def lu bar bolo moo yee kon waref la ak warugar tëf connection sans ay kàddu fagru moo gën faju sa force looy mel ku nekk formule 1 bam jar ngay def excès de vitesse am neexaay tali bi la moo lu yóbbee bii la dese maa ko teewee di ko seede mu di ab daara mënoo dem daara te xamagul dara ci biir daara dunya karapit moo ko fàtt nañu rafetal xol yi talibi talibi xaatul xol yi xaat ne nañu rafetal nañu rafetal xol yi talibi xaatul xol yi xaat ne karapit moo ko fàtte duma ko fàtte bo yemes piéton bi may ko mu jàll wante bu ko jaay doole nga dan ngay dan doole tout ce qui est rouge est dangereuse donc feu rouge égale stop il ne faut pas brûler les feux de signalisation hol baax mi ngi signaler

da ngay génn nga nekk Europe wala feneen nga am sa xaalis doo passé permis nga ñëw nga dawal sa oto. Mhm. donc na am sa xaalis rek donc waa service des mines dañoo war a def seen liggéey oto bu nga xam ni euh, warul daw ci circulation waruñu ko bàyyi mu daw dañ koy war a euh, tege nële. Mhm. permis yi tamit ñu xool képp ku nga xam ni am nga permis war a dawal. Euh, ñu ñu ñu ñu jox la boo warta yor permis mhm. ñu ñu jël sa permis je crois loolu mooy yoon. C'est vrai, un hein, accident mm -hmm. Il répéter, parce que tout récemment, on a vu, euh, je ne sais pas si c'est euh, hier, euh, le Premier ministre qui rentrait, oui, il rentrait juste mm. en tout cas ou d'aime faire le constat parce qu'il y avait un accident grave. Il y a beaucoup de morts d'ailleurs. Hein, il y, a, huit 8, morts. Au départ. Mais euh, actuellement, je me suis. Euh, sont à 13 morts, je ne sais pas comment. Ah, bon, c'est 8 bah, morts, 16 blessés, 6 graves. Son texte, mhm il est en train de sensibiliser tout le, monde, y compris même mhm. euh, la police. Mhm. Parce mhm. qu'il y a trop de laisser-faire au Sénégal. tu vois, par exemple, euh, une voiture qui quitte Dakar, ou bien je prends l'exemple, une, voiture qui quitte Velingara, il y a combien de postes de contrôle, Mais parfois, les gars, là, ils, surchargent le nombre de personnes euh, à l'intérieur, le nombre de bagages en haut. Vraiment, ça devient extraordinaire. Et pourtant, ces voitures sont contrôlées. il faut laisser tout tout ce qui est là On applique, appliquons la loi. La loi, mhm. c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Mhm. Mhm. En tout cas, c'est intéressant. Euh, Teuf, hein? Teuf Connection. Voilà, Teuf, d'une a commencé musique Il y guillemets ngi ci ñaata son ak ñaata euh, clip. bon mën nañu wax que ni euh, euh, yàgg na yàggul. donc on peut dire 2000 donc 2015. 2015 hein. donc deux mille commencé mais, mais, mais euh, donc, je veux dire que je n'ai pas trop pris euh, euh, mon carrière au sérieux. Mhm. Parce que comme tant d'autres l'ont fait, mm créé groupe, mhm. des années après moi, séparation. séparation Moi, mhm. après, par la suite, j'ai une carrière solo. Donc, non, non. Mais, mais en tout, on peut dire que maximum, on a 4 4 400 sons. 4 sons. bon, sama crew parce que bi ni ci la bokone son bi son bi jotta jallon prévention routière mhm. parce que j'ai vu que ni mhm. donc dafa nek lu am importance après je me suis dit que na retirer samay parti ma mhm. améliorer wat ko donc j'ai fait un featuring avec Papa Bile euh, nekone na fini à Kolda donc doon ménager euh, euh, un artiste de Kolda donc moom moo moom moo son si son bi d'ailleurs si son bi sax c'est seen studio là ko défé donc japp nañ si son bi OK japp nañ si son bi il aussi, on a l'impression que tu ne fais pas seulement la musique. La famille au néo musique grecque, Tu bon, es dans le euh, secteurs. Bon, je donc, euh, artistes beaucoup, ils ont branche mhm. Parce que la majeure partie des rappeurs, donc, des mhm. multi mhm. on peut dire que c'est des professionnels. Donc, c'est côté audiovisuel, donc côté euh, promotion des artistes, tout, donc, euh, on peut dire que euh, a pas. Ah. Ok. Ta maman vient de Bunkili, c'est dans la région de Sidou. Et ta, ton papa est de ngaay meexe de ngaay meexe tëf lan lay uti fii ci Kolda <laughs> Kolda <laughs> Sénégal la bokk réere <laughs> ni mu ko ni mu ko posé moom non non mais pourtant pourtant nag pourtant pourtant lan la fii def pourtant donc euh, très bonne question donc garaawul garaawul garaawul nañ ko mën mën nañ ko mën nañ ko may loolu donc hmm. euh, tëf euh, connexion donc mën nañ wax ni donc hmm. Euh, daf ma marqué. parce que tamit suis doomu homme de tenue. souvent ñom dañuy voyager dañuy voyager mais mën wax que ni ma marqué parce que mon papa était gendarme donc euh, de euh, de 90 à 96 donc euh, def nañu def fi six ans. six ans donc deug bu ma marqué la parce que j'avais des amis amon na ay xarit ñoo xam ñi fi donc mhm. mais majeure partie ñu bari tasaaroo nañ. mais chaque fois bu ma ñëwee si dëkk bi rek donc kii boobu noonu laay fàttaliku. Mhm. parce que j'avais de vrais amis ici à Kolda. donc lool non mo de chaque fois bu ma fi donc à Kolda donc je me suis dit que mais parce que tamit euh, bunkling mhm. bunkling ci Kolda la bokkoon. peut être après bin ñu defee. Euh, décentralisation décentralisation donc euh, le le si la bok si donc meun nañ wax que donc je suis un assez. Mhm. donc mhm. parce que yaay moo ëpp doole. yaay moo ëpp doole si doom donc. je suis assez donc je me suis dit que expérience bi nga xam ne nako am naa ñëw ma partagé ma ñëw ma ñëw ma partagé ko. ak artiste yi nga xam ni ñi fi au niveau de Kolda. am nga jabar. aywa ah, tamit. am na mag yu am pagay fi amuñu jabar. <laughs> non maa ngi wut instant maa ngi wut. ah yaa ngi wut yow tam li ma lay def am nekk ni dox la benn fi rek. xam nga ma koy def amul yow balaa nga jox kenn doo jox sa bopp. utal ko benn fi Kolda rek. xanaa ma utal la ba pare. non man pare gu ma. dox ko man pare gu ma. doomu jàmm ji moo ne pare na. waaw nee la wax. maa ngi wut daal maa wut. <laughs> fii. am pagaay.

par le euh, par le biais de Faya. Hmm. Faya tamit euh, joxon na ma ñaar artistes. Hmm. ak euh, fële Bunkili donc dem bëggoon côté Casamance parce que fee man ngi fay organiser fële saifa au niveau de Mekke. Hmm. defon na fa ben saifa jazz 1 ak jazz 2 donc léegi ma naroon ñëw fii à Kolda légui mako côtoyé won AK ak Galsen. mais après par la suite mon mujjul mujjul aboutir. parce que souvent artistes duñ comprendre. Euh, comme souvent bu fekkente ni comme yow da ngay teg benn projet. Mm. yow nan nga def ba ficeler say projet. Mm. parce que des fois da ngay teg yenn projet nga xam ni doo am benn euh, soutien. donc yow lépp sa poste lay génne. donc léegi ñoom duñ comprendre ñoom duñ comprendre loolu. Mm. donc chaque fois boo ñëwee danaan la ñoom lan lañ ci am. alors que ñoom ñëw nañ intégrer sa projet. nañ ci am yenn connexion. comme ni mu ko waxee comme sama tour hein. parce que di nga am public peut-être Ekay wala public Galsen wala public gu keneen ak keneen bu ko defee impact boobu ak connection boobu noonu parce que am na yeneen booy yi nga xam ne ñu ngi au niveau de Bounkiling mm-hmm. léegi xamante boobu noonu mën na indi comme supposons mm-hmm. gaayen boobu buy organiser dara mm-hmm. yow nga nga ñëw nga bokk si bokk ci waaw mais important de sortir mo moo tax c'est bien xaalis baax na baax na waaw boo nekk artiste mais am na ñoo xam ni donc boo boo boo amee yenn euh, kii yenn connaissance yenn xamee yi day yokk un plus si yow waaw noonu la fa demee donc euh, li gën a concret fii nii euh, maa ngi jo job ak tudd réel réel mams euh, moom Garapara la ne d'ailleurs foofu noonu jànge naa fa euh, foofu laa def sama primaire waaw jànge naa foofu mhm. foofu comme ni ma ko waxee rek mbeddu ko laay moom lu bëri ah. moom laay moom laay faral di liggéeyal instant bi nii euh, mhm. réel mams mhm. waaw donc réalisé naa ko je crois trois clips waaw réalisé naa ko trois clips waaw moom daal instant bi mooy moo nekk concrètement waaw si artistes yi cest à parfois da di dénoncer tout Mm. Mais surtout, la particularité de la Casamance, c'est la forêt. Mm. Mais la forêt est en train d'être euh, agressée. Mais parfois, il y a des dénoncer agression, mm. sensibiliser la population. Bon. je pense que Est-ce que nous Il faut de brousse à, gogo, coupe abusive à gogo. c'est Donc, voilà. donc man, man, man, la majeure partie de mes clips, comme gars, ils ont fait, ils ont fait des clips artificiels.

mënoo jël benn benn lu fa amul lu fa amul. nga boole ko ci waaw loolu mënul nekk donc da ngay wane li nga xam ne moo am si dëkk bi. parce que mhm. tubaab bi tubaab bi mun dee ñëw fii euh, Afrique loolu lañ soxla. Mhm. donc comme yooyu noonu peut-être dina dina dina dina dina tax pays euh, yu bëri daal mhm. man noonu lay liggéey. ok très rapidement lu ñu dese bëriwul euh, voilà xam nañ nga xam nañu musicien nga en même temps producteur nga je pense ak lan encore parce que dafa mel ni dafa des. <laughs> bon en même temps en même temps bon animateur animateur radio. animateur radio ah hip hop. ok hip hop. Hmm. alors là tu es intéressant toi ah. <laughs> voilà ñun war nañ fi am rajo après nga ñëw toog ci tool bi n'est-ce pas. <laughs> waaw léegi bu dee am na beneen son ngeen may ñëw après ñu voilà. bon on va se dire voilà. yàgg we doon kasoom wax waxi dof loof tolof tolof gis-gis ute ba ku nekk sa morom rey ko dagga tey àdduna dox ñii dëkkee xoox yaay du doom talu yar doom ngir jigul góor ñàkk jigul góor gore ba gore donte dan may bu Way I, way by, way I, way by, ñak jigul góor góore ba dee. sa man sama aduna du tar waaye njaboot gi ma yalla boo neel maa leen war sam dina fe xeba du ñu xiif du ñu gaafle dina def lu mo mën ba seen yaa du jaaxle. ñak jigul gor, ñak jigul góor. jigul góor ñak jigul gor, ñak jigul góor. jigul góor ñak jigul gor, ñak jigul gor, mais du tax ma sàcc du tax ma fen bàyyi mak sama ngor. ñak jolina wamana xifak rafle mabana këru teranga ya sagana sagum ña tane selu kaay bi moo ñu ëlëm ñu ñëpp ñu ànd gëlëm ndaw njàngatu gël di jënd ka jaay ñoom ñëpp daw nanu gàddaay xos lu maan jën bu oos yaa ngi rêve nekk boos li na sant mooy nga joob bul dof yaa ngi xof yow may di xoslu yàgg sa jëm bu oos danga war a bàyyi loo am jënd ko drog wala nga naan ko sàngara danga war di xoslu wala sa ñàkk dajaloo sa bi poos mën a doon flouse mën a doon alalu ëllë xoslu maat li la sant mooy nga jóg. sa di ma yàlla boo neel maa leen war a saam dina fexe ba duñu waaw un message intéressant. waaw nee na ñàkk jigul góor ñàkk jigul góor luñ la sant mooy nga jóg. mais dama ko naan. jóg rek waaw. ñàkk jigul góor jigul jigéen jigul nguunu ngaana jigul ñàkk nit la jigul nit nit en tout cas nit nit moom ça moom. ñàkk dafa métti de. dafa métti de dafa ba ngay xam ne ñàkk moo métti nga jaar ci. Mhm. xam nga y a des personnes qui qui. waaw di la mhm. pro gis nga ñi nekk ci télé bi nii naan lutte contre la pauvreté na. mosuñu pauvre xamuñu bi lay xamuñu pauvre. dañ laaj Anta Babacar Ngom la muy pauvre. <laughs> un ami maa une fois dit ça. <laughs> à Ziguinchor mu ne moom day jaxle. Mhm. nit toog nekk ne ko moom mënul am cent franc ma ne ko Babacar man mii di wax ak yow nii man mii toog ay fan du ma am cent franc <laughs> tant que dundoo ko mënoo comprendre. non tant que dundoo ko mënoo comprendre ñak yalla ñu ci yalla musal. ñom ils ont mm. compris euh, voilà donc euh, la situation voilà les choses ñuy tok diko wax. et je pense ñàkk moom franchement yalla ñu ci yalla musal euh, intéressant euh à da nga xaw ki la lan la. voilà plateau bi rek non non non non non non. Hmm. non non pourtant moment tu es un peu mou quoi tu n'es pas chaud. non non pourtant pourtant je ne suis pas et puis tough connection <laughs> yow da nga war a ñëw rek nag non pourtant je ne suis pas mou. Hmm. non non. ah ok non non d'accord c'est ce que je pensais quoi. Hmm. <laughs> non dafa nekk dans son élément peut-être. voilà non pourtant c'est dans mon élément c'est dans mon état. ok alors Moussafa, hum, producteur artistique. Euh, après, tu fais quoi et quoi Animateur. Je animateur. Il y a hein. plein de choses que tu fais. Voilà. Aujourd'hui, euh, tu es à Kolda. En fait, réellement, qu'est-ce que tu as amené Il y a un projet, il y a fait des trucs comme ça, sans Harek, il y a mis euh, dans un genre de production, euh, des artistes de Kolda que tu veux prendre, sur celui de, je sais pas, de Bunkili, peut-être à, à chose, hmm voilà c'est juste euh, film nga ko bëgg je def je sais pas. bon beaucoup naa gën job avec euh, artiste mais c'est très difficile. Mm-hmm. ak euh, nga job avec artiste sur côté mouvement hip hop. Mm-hmm. parce que des fois da nga leen di bëgg donc nga a trop de disponibilité donc ils vont se dire que donc le gars là il est facile. Mm-hmm. alors que tel n'est pas le cas. parce que moi j'ai compris le showbiz donc comprendre hip hop avec artiste le plus souvent dans le fait d'aimer parce que tu te retrouves donc da des fois artistes xam clip donc euh, tu prends la peine euh, de les aider en retour donc de comprendre mm-hmm. alors que nous xam nañ affaire yi nous parce que normalement euh, ce n'est pas producteur qui warul dem artiste donc yow da des def production nga dugal ko internet bi donc ñom ñu gis sa qualité donc ñu contacter la man aider artistes parce que si vous bu un artiste man la budget bi la lay defaree clip mm-hmm. Donc Euh, donc léegi activité des fois da ngay ñëw si ñoom euh, pour jàppale leen léegi nga leen ak ak benn budget bu réduit léegi budget bu réduit boobu si <laughs> bu fekkente ne rappeur la donc euh, mën na ñëw mu jox la benn bu réduit mais ci budget bu réduit boobu noonu ab da koy bëgg a bokk yow lekk ko donc <laughs> da koy bëgg a bokk yow lekk ko en plus tamit bëgg a bëgg a am lu mm-hmm. supérieur loolu loolu mm. donc léegi en plus sax des fois da ngay ñëw avec un artiste donc parce que normalement il y a il producteur a scénario donc on décaler. mais Carcasse après il y a au finish il y a mais il faut que tam comprendre Donc, question que nous nous, nous, nous, nous, nous, nous nous, nous, dara nous pour nous, nous, nous, nous,

mu leeral ki dalay lay avec des professionnel professionnalisme mm, donc da nga wara ñew donc am no taxawee

day day day day day ñëw dugg carrément. Mhm. mais pour man képp nga xam da ngay dugg ci mbir day hésité rek tu n'es pas tu n'es pas un professionnel. doo doo professionnel bëgg lu yomb quoi en quelque sorte. waaw waaw noonu noonu la fa demee. mais malgré tout ça là yow am nga benn artiste bi ngay manager fii. waaw waaw comme ni nga ko waxee man du xaalis moomu dugal ci moom. Mhm. wala leneen leneen ak leneen muy réel mams. bon dootu nag bu fekkente ni ñeneen ñi tamit euh, bëgg nañ. Euh, clip donc mën nañ ma contacter. Mhm. actuellement maa ngi maa ngi ko la peut-être ba si kanam yooyu noonu comme ni nga ko waxee rek. mën nañu wax c'est du tourisme. Mm. wala yeneen ak yeneen mais Kolda euh, moom euh, mën nañu wax que ni sama sama deret la bokk. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. mais quand même ci loolu euh, tu vas yaa ngi ci dem waxtaan ak artistes yi comme ni ko waxee c'est vrai que l'autre est ton seul musicien à l'heure actuelle. mais est-ce que yaa ngi def sa promotion par rapport aux artistes. bon loolu tam bokk na si lu tax ma ñëwoon si Casa Média. Casa Média waaw ci lan ak lan ak lan ak lan laay yëngu. Euh, loolu gënoon parce que en tant que artiste mais <laughs> comme ni nga donc da ngay prévoir mais venu pour gars yi xam que donc euh, doomu dëkk bi donc euh, yi nga xam ni clip donc ak wala leneen donc ma ok à bon actuellement maa ngi boo ñëwee ba si côté kii ligne am fi muy taxaw euh, ci ci kanam côté station. côté Afia. waaw Afia Afia. parce que miinoo ko noonu dafa xaw a foofu dafa xaw a. Afia mooy yoon yoon Jula Kolon. waaw léegi da ngay ah, obligé tamit da ngay obligé tamit say activité. juste après après lycée lycée technique. lycée waaw waaw côté boobu côté boobu la waaw waaw côté boobu. Moustapha Baro. ñu gën koo xam euh, Teuf Connection. Teuf Connection waaw voilà numéro téléphone c'est comment. bon 78 578 96 67 ah 78 578 96 67. Allez, merci à toi. Je pense que 67. 67. Ah, le après je célébrer mariage mariage voilà c'est la fin euh, Baro en tout cas euh, voilà le temps vous <laughs> kii daf ñoo yëpp na acca na na yow tàggool yow yow yow mii. ñu lay jaajëfal en tout cas content ci yow. d' avoir accepté l' invitation. waaw yéen tamit bon ma leen di jaajëfal waa Casamance donc comme ni mu koy sànq bàcc ak soxna si. ak ki nga xam ni bon ma maa ngi jàkkaarloo moom ni. ak képp képp koo xam ne da ngay seetaan Casamance donc yéen ñëpp maa ngi leen Il est plein de succès. Hein. C'est et une manière aussi de lancer un appel aux artistes, qu'on doit de s'approcher de lui. Parce qu'on dit que la connaissance mm. euh, peut venir de que tu Donc tu peux le croiser dans les mm. ruelles de Kolda ou bien les rues sans pour autant savoir que c'est un mm. cerveau qui est là, c'est une tête qui est là amna voilà. après cette émission moom. Hmm. il va faire le le le réseau sera. <laughs> di nga def tout aussi ñu am sa euh, artiste bi. invité ko euh, je pense que ce sera dans la semaine. Euh, ñu jëm ko invité fi ñu waxtaan ak aussi j'espère ah. may c'est la fin de cette émission. ñu bàyyi ko mu tàggoo comme ni ko rek ma ngi nuyu ñi nga permettre na ma ma am accessibilité ci télé bi. Euh, comme ni nga ko waxee Ousseynou Régie donc ak. Euh, Ousseynou Régie euh, ah Ousseynou Ousseynou Régie donc avec ak Bac Bac parce que on peut dire que c'est un professionnel. Mm-hmm. parce que bëri na bëri na ay animateurs yu nga xam pour nga am accès si ñoom donc day jafe. mais moom tout au long tout au long il faut donc contacter tout en long donc on peut dire que c'est un professionnel. Masha'Allah. voilà merci Antoine Baron. voilà moi aussi euh, je le souhaite euh, bon sens en espérant en espérant euh, mm-hmm. que les artistes de la Casamance vont, s'approcher de lui. Et merci beaucoup. Mm-hmm. Et voilà, machallah, tout est bien qui finit bien. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, à partir de 7h30. Merci à Barreau. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Hein. voilà, tu es euh, plein de succès dans, ton, voilà, dans tes projets. Merci aussi à venir ici demain. Je pense qu'on va parler encore du football. Hein. c'est normal. Maï, toi aussi, tu seras là demain. C'est normal, c'est tout à fait normal. Maï, gallo Allez, merci à vous. Tous ceux qui nous suivent en ce moment, en tout cas, bonne suite de programme à Casa Media TV. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous, car là, le Tout-Puissant vous assiste dans vos tâches quotidiennes, certes difficiles, mais surmontables. au revoir et à demain. waaw naanuñu café moom